le forum du studio le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du le forum du studio Nous sommes vendredi 28 juin 2019. Euh, merci de nous rejoindre pour ce rendez-vous hebdomadaire du Forum de la presse que nous consacrons au décryptage de l'actualité de la semaine avec les confrères des médias de Niamey. Actualité oblige, nous allons parler de l'adoption lundi à l'Assemblée nationale du projet de loi portant modification du code électoral au Niger. Il sera aussi question de la motion de censure déposée lundi par 35 députés de l'opposition, dont deux non-inscrits siégeant à l'Assemblée contre le gouvernement nigérien pour mauvaise gestion. Enfin, du football pour évoquer la Cannes Coupe d'Afrique des Nations qui se déroule depuis huit jours maintenant en Égypte. Pour échanger sur ces sujets, nous recevons Issa Madougou, journaliste à la radio et télévision Ténéré. Bonsoir. Bonsoir, Reila. Rufai Dandoua, journaliste sportif. Euh, bonsoir. Reila, bonsoir. Et Gary Amadou, journaliste au quotidien La Nation, que nous attendons incessamment. À la modération, Reila Tsumana. Bonsoir à tous. Euh, L'Assemblée nationale du Niger a examiné et adopté lundi, en l'absence de l'opposition, le projet de loi portant modification du code électoral. Sur les 34 articles objet de la modification, l'adversaire du pouvoir est farouchement opposé à la révision des articles 12, 80 et 81 des textes relatifs à la composition de la CENI, des bureaux de vote et au mode de désignation des membres des bureaux de vote. Ce nouveau code électoral adopté est contesté par l'opposition pour qui il ne fait pas l'unanimité, même au sein de la majorité au pouvoir. Roufaï, je commence par vous. Comment appréciez-vous l'adoption de cette nouvelle modification apportée par le parlementaire au code électoral sans l'opposition euh, Merci, euh, Rayla. Euh, comme vous l'avez dit, à l'absence de de la de l'opposition et la politique de la chaise vide qu'on voit un peu partout en Afrique. Euh, c'est devenu légion, si on peut le dire. Et je pense que déjà, le code électoral au Niger a, depuis un certain temps été l'objet de, plusieurs contestations, tant au CNDP où la classe politique se rassemble, se pour euh, discuter de tous les grands sujets sur euh, l'avenir de la nation, que qu'à l'Assemblée nationale. Et, même, vous l'avez rappelé, que certains partis membres de la majorité parlementaire ne sont pas d'accord. Euh, c'est de bonne guerre, c'est normal, parce que lorsque vous partez aux élections, même si vous êtes allié au parti au pouvoir, euh, vous faites tout ce qui vous arrange. Lorsque vous vous rendez compte que ce n'est pas le cas, vous émettez euh, des objections. Ça a été le cas avec le parti Kishinkasa quand il était avec la majorité et ça euh, ça allait encore avec ce même parti quand il a quitté pour être à, l'opposition. mais le problème qui se pose ici, c'est que même si ça a été fait, et c'est ça qu'il faut déplorer, même s'il y a l'absence de, l'opposition, le, mal, si on peut dire, est fait parce qu'il a été adopté par une euh, large majorité des députés à l'Assemblée nationale. Ça veut dire quoi Ça veut dire que on ira aux élections avec ce code qui a été contesté et ça va peut-être euh, amener une certaine inquiétude quant à l'organisation des, des, élections qui vont arriver. Inquiétude de quel genre Oui, euh, on, peut aller au pire. Le pire, c'est quoi C'est que l'opposition, par exemple, refuse d'aller aux élections. On l'a vu au Bénin récemment avec la nouvelle assemblée qui a élu hier son, son président. Euh, vous vous rendez compte que quand on part euh, aux élections euh, sans l'opposition, ce qu'on a vu en 1998, je crois, au temps du, du feu barré, ça va être euh, vraiment quelque chose de, pas d'inédit, mais quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de voir au Niger. Il a toujours eu consensus au Niger. Je ne sais pas pourquoi la classe politique s'est entêtée de part et d'autre à ne pas faire de, concessions pour arriver au consensus. Peut-être qu'il y aura consensus après. Consensus, je, ne. Je ne pense pas, hein, puisque tant du côté de l'opposition que du côté de la majorité, chacun campe sur sa position et et si on continue dans, dans le même sens, ça veut dire qu'il n'y aura pas de consensus. On va aller aux élections avec ce code qui a été contesté. Il y aura des élections avec euh, peut-être euh, ou sans les partis de l'opposition. On risque d'avoir peut-être une assemblée nationale sans, opposition. Nous attendons de voir ce que ça va <laughs> donner, évidemment. <laughs> Euh, Issa Madougou, après quatre passages devant la représentation nationale, pensez-vous que cette loi électorale pourra encore subir des modifications avant les élections on l'espère bien pour qu'il y ait la sérénité euh, pendant euh, le processus électoral qui va débuter en 2020 et tel se pour se terminer en 2021. Parce que ce code électoral depuis 2017, quand ça a été adopté, ça a été l'objet de, de, litiges et c'est ça qui était à la base de la rupture du dialogue politique dans notre pays. Et de nature, comme le Faye l'a dit, c'est vraiment, euh, on peut dire, ces dix dernières années, le dialogue politique vraiment a été toujours caractérisé par le consensus autour des questions qui divisent. Mais malheureusement, euh, on n'arrive pas à comprendre en observant euh, comment ça se passe aujourd'hui. L'arène politique nigérienne est devenue vraiment un no man's land où les gens ne s'écoutent pas, et les gens s'entêtent à aller pour le même pour le pire, pour défendre leurs propres intérêts. C'est dire que euh, moi, ce que je vois, c'est que c'est cette classe politique issue de la conférence nationale qui continue encore à hypothéquer l'avenir de ce pays, à prendre en otage ce pays. Parce qu'il est temps qu'aujourd'hui, cette génération de Nigériens qui n'est pas issue de cette euh, même génération ouvre les yeux et comprenne que on n'a pas quelqu'un qui est pire pour ce pays que cette classe politique dans son intégralité. Pourquoi Parce que cela Ici, ils sont capables, hein, avec le régime barré, de s'entendre et de former le plus puissant front politique dans l'histoire de la démocratie nigérienne, à savoir le FRDD, au temps de Barré, pour combattre Barré jusqu'à ces derniers jours. Pourquoi aujourd'hui ils ne peuvent pas s'entendre C'est de l'hypocrisie. C'est pour dire que ce n'est pas le Niger qui intéresse ces gens. En voyant ce qui se passe aujourd'hui, il faut que les Nigériens comprennent que cette classe politique aujourd'hui, je vous donne un simple fait par rapport à la question des bases militaires. Les gens, la classe politique, sur le pouvoir, défend la présence de ces bases militaires. L'opposition se contente seulement à critiquer. Mais est-ce que ouvertement, le chef de l'opposition ou bien un député de l'opposition est sorti pour dire j'appelle les Nigériens à manifester contre Ils ont les mêmes répondants. C'est pour cela qu'il y a une faillite d'une classe politique qu'il faut balayer. Aujourd'hui, la seule réponse que les Nigériens devront apporter avec ce processus électoral, c'est de sanctionner cette classe politique qui n'est pas capable de mettre l'intérêt du Niger, la quiétude sociale, le caractère inclusif, le caractère stable à ce processus en continuant à aller à rendre dispersé, C'est vraiment malheureux. Nous ne pouvons pas dire qu'aujourd'hui, nous avons les seuls ennemis que les Boko Haram et consorts. Nos ennemis aussi, ce sont cette classe politique. Aujourd'hui, j'en appelle à ce que les Nigériens ouvrent les yeux, que les Nigériens s'inscrivent sur les listes. Parce que si cette classe politique ne peut pas s'entendre, le, le consensus a toujours prévalu. Mais voilà que pour leurs propres intérêts, Chacun veut aller à rang dispersé. Il refuse même de s'écouter. Merci Issa. On va donner la parole à... Ah non, juste pour revenir un peu à le temps de la parole à Gare. Oui. Eh, Issa a parlé du plus grand front qui, n'est jamais été conçu autant de, de barrer avec le FRD. Je pense que eh, si on fait une analyse rétrospective de la situation politique du Niger, on va se rendre compte aisément que la politique du Niger depuis 1993 a toujours été menée et dirigée par le PNDS. Pourquoi Quand il y avait eu même le, le, consensus, c'est pas. Vous vous rappelez, à l'époque, Ousmane devrait même rallier Barré, mais le PNDES a, a manieré le, pour euh, ramener Ousmane avec eux. De la même façon, quand il y avait eu la motion de censure et, euh, qui a fait partir Hamamadou, c'était le, le PNDES qui a, qui a, qui a, orchestré politiquement. De la même façon, quand on l'a arrêté, on l'a libéré. Ça veut dire que et dans ce pays, la politique nigérienne est menée et conduite de de maître par, par le PNS. Les autres parties ne font que suivre et ils n'ont pas de stratégie, ils n'ont rien. Aujourd'hui, qu'on n'arrive pas à <laughs> avoir le consensus, c'est parce que ça arrange le PNS et. Espérons qu'on va y remédier à tout ça. Bienvenue, Garé, journaliste de la Nation qui vient de nous rejoindre. Nous étions en train de parler de l'adoption de nouvelles euh, codes de loi. Euh, voilà, donc euh, les non-affiliés, euh, ils estiment que les partis qui vont désormais intégrer la CENI, Commission électorale nationale indépendante, ce code révisé garantira des élections libres au Niger, selon une affirmation d'Ambali Dodo, le représentant des partis non-affiliés. Vous, est-ce que vous êtes d'avis avec cest ces dires, dire que bientôt, peut-être qu'il y aura des élections libres même à l'absence de l'autre composante politique, en l'occurrence l'opposition. Ok, d'accord. D'abord, bonsoir à les auditeurs de Kalangou. Je m'excuse pour ce retard. Mm. J'aimerais quand même, avant d'attaquer la question, rebondir sur deux points mm-hmm. soulevés par mes confrères. D'abord, le point, quand euh, Rufai dit que c'est le PNDS qui mène la danse depuis la conférence nationale, il faut quand même rappeler que le PNDS euh, le candidat du PNDS a été candidat deux fois, de 99 jusqu'à 2009, il n'a pas été élu. Donc pendant cette période-là, n'est pas lui qui menait. Mais peut-être que entre ces deux périodes-là, peut-être on peut dire qu'il était dans tous les, dans toutes les, en tout cas les tractations politiques. Ça, ça c'est vrai. il s'est dit qu'il faut renouveler la classe politique et qu'il faut que les gens s'inscrivent sur les listes électorales. Mais euh, euh, si les gens s'inscrivent sur les listes électorales, c'est pour choisir. Oui, non, c'est pour choisir entre deux camps. Parce qu'il y aura des candidats de l'opposition, il y aura des candidats. Alors, mais c'est oui, donc on, ne sort pas. Il y aura aussi une nouvelle génération de candidats. La, la seule sanction que, que le, peuple peut faire, c'est l'abstention peut-être. Mmh. La seule sanction, parce que si c'est pour s'inscrire sur les listes électorales, partir pour choisir entre les deux, le candidat de l'opposition et le candidat de la majorité, c'est la même chose. Tu l'as toi Il n'est pas forcément dit qu'il y aura deux candidats de l'opposition. Mais quelle est l'alternative aujourd'hui il n'y a rien. Il, se pose. Mais avec la création a Non, s'il vous plaît. C'est pas forcément Hama et qui. Non, on n'a pas parlé de Hama, on parle d'opposition et de majorité. voilà. Pour le moment, on sait que les candidats sortiront de ce lieu là parce que bon, ceux, ceux, sur qui on avait fondé un espoir, on pensait que c'est des gens nouveaux euh, euh qui pouvaient faire quelque chose. Des jeunes, on a pensé à Kassou Moutar mais on se rend compte que bon, c'est la même chose. Mm-hmm. Vous comprenez Donc il n'y a pas d'alternative aujourd'hui, pour le moment. Moi je pense que la, la, meilleure façon, ce n'est pas de s'inscrire sur la liste électorale, mais c'est de militer au sein des partis politiques, avoir plus, plus de démocratie, pour essayer de, de, faire, ça, maintenant, voilà, de pousser vers la sortie voilà, des anciens. ça c'est possible. Mais, même si tout le Niger s'inscrit sur la liste électorale, si c'est pour choisir blanc, blanc, blanc, c'est la même chose. Maintenant, donc, concernant le, code électoral, effectivement, le code électoral, là, en tout cas celui-là qui, vient, qui a été voté, mhm. est franchement le meilleur. Parce que sur le précédent qui avait été voté, l'opposition l'avait contesté. Elle avait dit concernant la composition du bureau de vote, ils ne sont pas d'accord, mhm. n'est-ce pas Concernant euh, la composition même de la CENI, ils ne sont pas d'accord. Alors, la majorité, elle s'est réunie, n'est-ce pas Normalement, la, réunion du CNDP, elle doit convier, enfin, elle doit regrouper les partis de la majorité, les partis de l'opposition et les menus affiliés. Mais on s'est rendu compte que l'opposition a fait euh, la, politique de la chaise vide. Mais malgré tout, la majorité a tout fait pour faire en sorte que les, grandes questions sur lesquelles l'opposition était en train de, en tout cas, de se fâcher, d'apporter des modifications. C'est ainsi que la composition de la CENI a été revue, mhm. n'est-ce pas On a augmenté le nombre de, en tout cas, de, voilà, le quota de l'opposition. On a augmenté, on, on, a maintenu le quota de la majorité, on a augmenté le quota de l'opposition et on a en amener la, les, Ensuite, concernant la, composition du bureau de vote, on est revenu à l'ancien système où chaque parti politique qui est en compétition va avoir un délégué au sein du bureau de vote. Donc, le seul point peut-être qui, chauffe ou qui, fâche, c'est l'article 8. Et même au niveau de la majorité et de, l'opposition, il y a des partis politiques qui, en tout cas en coulisses, ils vous disent que non, ils ne font pas de la fixation sur l'article 8. Mhm. Ils font ça juste pour que leurs amis soient contents. Donc ce code électoral-là, je vous assure, ce code électoral-là est la garantie d'avoir de bonnes élections. Mais mieux, le fichier biométrique, là, la dernière fois, lors du point de presse du point de la CENI, mhm. le responsable de Gimolto a expliqué le fichier biométrique, c'est quoi C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec le fichier biométrique, il n'y a pas de vote, vote par témoignage. C'est-à-dire que vous venez, vous voter on scanne votre photo, votre image. Ça veut dire que si vous partez dans un autre bureau de vote pour chercher à encore voter, on va détecter que vous avez voté dans le bureau tel. Donc, oui, mais non, non, c'est plus, plus possible. C'est électronique. C'est électronique. Mais le, je vous dis, c'est les élections de 2021, là. Ce sont les élections, en principe, qui seront les meilleures. Merci, Garé. Et, moi, et moi ce que je conteste même dans le code électoral, c'est de revenir à l'ancien système où tous les partis politiques représentés seront et représentés dans le bureau de vote. Imaginez, on est à près de 130 partis politiques au Niger. Non, c'est vrai que si après 130 candidats et eh, pour une élection de député, il y aura 130 euh, déjà. Bon, là, on n'est pas au fait, des élections. Je, mais préciser. on sait que sur les 130 partis politiques, bon, il y en a la grande majorité qui n'est pas sérieuse. Bon, c'est bon. Il y, y, a une quinzaine <laughs> peut-être qui participent aux élections. Bon, ça ne dépassera pas ça même l'année bon, prochaine. aussi à la CENI. oui, bon, la CENI, bon, mais écoutez, c'est ça que l'opposition a exigé. C'est danger. Mais c'est l'opposition. Ça va être budgétivore déjà. C'est l'opposition qui a exigé cela. C'est cela, vraiment, moi, j'ai trouvé un peu eh, vraiment raisonnable la proposition euh, du MPN Kishinkasa qui dit que il propose que ceux qui sont représentés à l'Assemblée puissent avoir des sièges. aussi CENI, c'est pas juste. Mais non, une formation politique devrait s'auto-détruire. Écoutez, on a n'est pas encore là aux élections. S'il vous plaît. les gars, écoutez. Voilà, là c'est largement une digression. On va euh, continuer <laughs> dans le sens euh, vraiment du forum. Voilà, Roufaï, je te donne la parole. Donc, maintenant que les non-affiliés vont être représentés à la CENI, avez-vous eu, euh, ne serait-ce que des échos de comment les citoyens ont accueilli cette nouvelle loi Et surtout, moi, cette histoire de non-affiliés-là, je pense que c'est une hypocrisie. C'est une hypocrisie politique il faut, qu'on arrête avec les non-affiliés, que ce soit de la majorité ou de, de l'opposition. Dans tous les cas, les non-affiliés sont toujours avec quelqu'un. C'est faux, c'est juste un, euh, euh, euh, une façon de parler. Ils sont toujours avec quelqu'un. Ou ils sont avec l'opposition, ou ils sont avec la majorité. Donc je pense qu'il faut arrêter déjà ça dans les prochaines <clears throat> tractations qui vont avoir lieu. Et là, à un cas, déjà les deux affiliés, ce sont des partis bon, politiques. Bon, entre guillemets, l'appréciation des citoyens. Bon, euh, vraiment, je, je, ne sais pas, je n'ai pas, je n'ai pas discuté eh, avec les, les citoyens dans, dans, dans l'ensemble, mais ce qui est sûr, c'est que et on, suit des débats sur, euh, sur les, les, ondes de télévision, des radios, dans les journaux, chacun apporte sa, contribution et mhm. ça divise toujours selon qu'on soit, et surtout que les journalistes déjà sont étiquetés, la société civile est étiquetée aussi. Mhm. Donc <clears throat> on, comprend la tendance euh, par là où elle est et c'est toujours la même chose. D'accord, merci. Donc on va rester toujours à l'Assemblée nationale pour parler d'autres choses à présent. Après l'adoption des modifications du projet de loi du Code électoral, 35 députés siègent les gens à l'Assemblée nationale de l'opposition ont déposé contre le gouvernement nigérien une motion de censure pour une mauvaise gestion ça, je m'adresse à vous qui êtes journaliste de la RTT. Que cherche l'opposition à travers euh, cette motion de censure déposée contre le Premier ministre et son gouvernement Puisque euh, ce dont il dénonce euh, dans le communiqué n'est pas nouveau, ça a toujours été clamé lors des, manifestations, des meetings, des déclarations et consorts. Qu'est-ce qu'il vise à travers cela Bon, comme peut-être que D'abord, on va dire que dans leur note négative, ils disent qu'ils veulent carton rouge pour le Premier ministre. Mais de toutes les façons, mm, on sait que sur le, sur, le concret, dans, le concret, évidemment, ce n'est pas possible parce qu'il y a toujours une majorité absolue qui appartient au pouvoir. Mais quand même, on peut dire que peut-être, ça c'est mon, mon analyse, l'opposition vise peut-être à attirer euh, l'attention peut-être de la communauté internationale sur ce qui se passe au Niger. Parce que hier, vous avez vu les débats jusqu'à tardivement dans la nuit. Euh, Jusqu'au petit matin. C'est-à-dire, euh, il n'y avait pas. C'est-à-dire, le, moi. je, déplore vraiment le manque de vision de certains de nos parlementaires. Parce que le débat était de très bas, de très niveau. le niveau était très bas. Mais quand même, il y a eu d'autres qui ont vraiment défendu leur position, et tout comme à la majorité, tout comme à l'opposition. Mais d'autres vraiment ne méritent pas d'être à l'Assemblée nationale parce qu'ils ne représentent même pas les gens. Ils n'ont même pas euh, quelques pourcentages de respect pour ceux qui les ont élus. Peut-être que c'est ça leur idée, mais de toutes les façons, comme c'est quelque chose qui est prévu par la loi, il n'y a rien d'anormal qu'il déposent une, motion de censure contre le gouvernement, parce que la loi l'a prévu. Donc moi je pense qu'ils sont dans leur droit. Mais quand même, à l'issue des débats, ce qu'on peut retenir, c'est qu'il y a peut-être une victoire de l'opposition, puisque c'est 35 signateurs et ils ont 38 voix. Trois de plus. Peut-être que ça dit qu'au sein même de la majorité, vraiment, il y a des voix discordantes. Tout le monde ne regarde pas dans la même direction. Et c'est ce qui démontre parfois que il, y, a, il y va de l'intérêt de la majorité. Donc, selon vous, c'est une façon de montrer que au sein même de la majorité. Même, l'appel à voter par groupe parlementaire est, tout à fait. illégal. Donc, un député, il a un mandat du euh, peuple, il vote selon sa conscience. Eh oui, tout à fait, Ça, c'est ce que dit la loi. Mais quand même, oh, avec la majorité, on ne pensait pas que euh, euh qu'il y ait des gens qui vont voter, comme on l'a toujours. Ah, C'est peut-être pour prouver cela qu'ils ont déposé, non euh, Oui, mais il y a deux qui, euh, deux qui ont signé, qui, ne sont, qui sont exclus de leur formation politique. Eux, on peut le comprendre. Mais quand même, à l'issue du vote, les trois autres qui augmentent, peut-être c'est ça qui pose beaucoup d'interrogations. Puisque, à l'heure actuelle, la majorité, euh, on ne peut pas imaginer même qu'il y ait des gens qui peuvent voter contre c'est ça un peu la question. Parce que, regardez, le jour même où ils a voté le code électoral, quand ils sont sortis, il y a 133 qui restaient. Les 133 ont voté tous le code électoral. Alors, si vous avez que vous allez voter contre peut-être euh, le pouvoir. Pourquoi vous avez voté le code électoral Parce que, puisque les mêmes questions qui sont soulevés, les problèmes qui sont soulevés avec le code électoral sont soulevés ici mhm. lors de la motion de censure. Moi, j'ai entendu un député dire que non, euh, le gouvernement n'avait pas l'intention d'organiser des élections. Euh, donc, c'est le même débat qui, qui revient. Alors, pourquoi les gens se veulent Donc, c'est peut-être là qu'on peut dire qu'ils ont eu une victoire, peut-être c'est l'objectif est atteint. Ils veulent montrer que... Peut-être bien, peut-être pas. Oui, Donc, au vu du nombre des députés de l'opposition, à peu près un cinquième de l'effectif total euh, des parlementaires à l'hémicycle, comment l'opposition espérait passer cette motion en déposant Non, l'opposition, elle savait qu'elle ne peut pas renverser le gouvernement. Voilà. C'est-à-dire qu'ils ont déposé la motion de censure D'abord, parce que vous savez, l'opposition est assez léthargique quand même au Niger. C'est-à-dire qu'il n'y a pratiquement pas d'activité. Donc c'est le moment où ils peuvent faire leur show. Et comme l'a dit Issa, quelque part aussi, eh, ils ne sont pas sortis perdants à, tous les niveaux. Parce qu'ils n'ont jamais. C'est-à-dire qu'ils savent très bien qu'ils ne peuvent pas renverser le gouvernement. Mais quand même, comme il a dit, on a senti quand même il y a quelques députés au niveau de la majorité qui ont voté contre le gouvernement. Vous vous rendez compte C'est-à-dire que ça, ce n'est pas un petit problème. Hein. C'est-à-dire que c'est très grave ce qui s'est passé. Parce que l'opposition est restée soudée. Mais la majorité n'est pas restée soudée. Ça, c'est un problème pour la majorité. Il faut qu'ils fassent leur propre introspection parce que ça veut dire que parmi eux, il y a des gens qui ne sont pas, en tout cas, en phase avec les idiots de la majorité. Ça, c'est très dangereux pour la majorité. Parce que on a suivi le débat. D'abord sur le principe, comme l'a dit Issa, l'opposition a le droit de déposer une motion de censure. S'ils peuvent déposer mille motions, 1000 mhm. motions de censure, c'est leur droit. Mais quand même, retenir des gens jusqu'à 3h40 du matin. Toute la journée. 90 inscrits, je crois. Mais 90 inscrits. 3h40 du matin. Aujourd'hui, c'est parti. Non, mais, mais, mais, mais, c'est trop. Mais, quand même. Non, il faut, non, non, non, non. Il faut quand même. Et puis, parce que. Il faut dire que ça se fait partout dans les pays. Non, ça, pas le problème, oui, oui. En France, ils votent les voilà. à 3h, 4h. C'est pas un problème. C'est-à-dire que c'est pas ça le problème. Le problème, c'est que, effectivement, dans les débats, Bon, on a senti des interventions qui n'étaient pas tellement à la hauteur. Mhm. Il y a des interventions qui étaient, ça va, intéressantes, n'est-ce pas, aussi bien du côté de la majorité que du côté de l'opposition. Mais je vous dis, le fait saillant, le fait saillant de ce dépôt de motion de censure, ce que le vote, en tout cas, a permis à l'opposition, qui avait 30, 35 signataires mhm. qui ont déposé la motion de censure, d'avoir trois députés de la majorité qui ont voté avec eux. Et ça, j'ai dit, c'est très grave pour la majorité. Ça veut dire que eh, il y a des gens, je vous dis, qui ne regardent pas dans la même direction et c'est très dangereux. À votre avis, cela va être objet de discussion Non, c'est sûr. ah non, non, c'est sûr. Non, c'est sûr. Parce que, vous savez, eh, quand on est dans une équipe de foot, c'est comme une équipe de foot. Quand on est dans une équipe, on joue des matchs, c'est pour gagner. Et l'équipe, les 11 joueurs, doivent être solidaires en symbiose. Mhm. Et quand parmi les 11 joueurs-là, il y a des gens qui sont pratiquement avec l'équipe adverse, ça c'est la trahison. C'est la haute trahison, ça, au sein de la majorité. C'est extrêmement grave, c'est déloyal et je pense que les partis de la majorité, en tout cas les députés de la majorité, vont se réunir pour essayer, parce qu'ils savent. Vous savez, il y a des indices qui ne trompent, pas. À travers les interventions, on peut savoir celui qui... Ils vont faire leurs enquêtes et je vous assure que ça ne va pas tarder, ça va pas traîner. Ça va pas traîner. Roufaï, avez-vous quelque chose à compléter par rapport à ces personnes-là qui... Moi, moi au-delà au -delà de ça, au-delà des personnes qui, qui, ont voté, je pense que c'est aussi leur droit, même s'ils sont ensemble, parce que c'est la loi qui le dit aussi. Et le député est... Le député de... oui, je, oui, je, oui c'est ce que je dis. Je dis, mais le député, il a un, mandat, qui, voilà. Donc, il doit voter selon sa conscience. Mhm. Ça, c'est, Ça, c'est... ça c'est Mais de deux moi déjà ce que j'ai constaté, c'est le niveau très bas des débats à l'Assemblée nationale. Comme l'a dit. Partant de là, euh, le niveau même des députés. Lorsque vous voyez que le président du groupe parlementaire du PND Staria qui a toujours eu des grands députés, des grands orateurs, moi, j'ai couvert l'Assemblée pendant 5 ans, chaque jour j'étais là-bas. Je connais le niveau des, groupe parlementaire il faut arrêter de nommer. Non, non, non, non c'est des députés, ce n'est pas, pas un problème. Mais il faut pas exagérer aussi. Quand, vous voyez, il y, a un malaise, il y a un problème. Et ça, c'est le grand danger. Et j'ai vu sur les réseaux sociaux et les commentaires des gens, ils n'ont parlé que sur ça, le niveau. Je me dis pourquoi cette impertinence Pourquoi les gens sont obligés de prendre la parole pour, pour, pour, ne rien dire 90 interventions, fois 5 minutes, ça fait 540 minutes. 8 temps. 540 minutes avec les, voilà, les interruptions. Mhm. Vous voyez pourquoi on est allé jusqu'à 3 heures du matin. Mhm. Pourquoi tu es obligé de prendre la parole Parce que le président Bazoum est là, parce que le PM est là. Il faut que tu parles pour qu'on te voit, pour, pour magnifier le régime. Et toi, de l'opposition, il faut que tu prennes la parole juste pour attaquer le grand, parce qu'il faut le faire et plaire aussi au, patron. Mhm. Je pense qu'il faut qu'on arrête ça. Il faut qu'on change la manière même de, de, prise de parole à l'Assemblée nationale et aussi qu'on change la manière d'élire les députés au Niger. Parce que c'est la vitrine de, euh, du pays. Et ça, c'est deux. Troisième chose, je pense que moi, il faut déposer une motion de censure chaque six mois s'il le faut, dans ce pays. pourquoi Parce que c'est la meilleure manière de venir poser les débats et dire ce qui a été fait de bien, ce qui a été fait de mal. permettre au gouvernement, par exemple, voilà, au PM aussi, qui n'a pas l'habitude de venir s'exprimer sur ce genre de choses, mhm. de venir parler devant le, euh, la représentation nationale pour expliquer au Nigériens ce qui a été fait et pour que l'opposition dénonce ce qui n'a pas été fait ou, mhm. ou bien les contre-vérités. Je pense que c'est très important, même si je pense que cette motion de censure, elle n'est pas opportune aujourd'hui au moment où le Niger est en train euh, de recevoir. C'est ce qui a fait la particularité du Sénégal. À chaque fois qu'il y a des grands événements, ils sont solidaires autour de la majorité et on ne pense que le Sénégal. Et ce qui n'a pas été fait. Mais moi, je pense que vraiment mon, mon inquiétude, c'est ça, la manière de lire les, les, députés. Et autre chose, je pense que c'est le moment peut-être pour Birgir fini aussi de se dire que j'ai battu le record de, de, longévité. Euh, il je pense qu'il n'a plus rien à proposer de, nouveau. Ça, on a rien. Non, non, non, non c'est son point de vue. C'est un point de vue. Euh, je, me rappelle, hier, peut-être Soumar l'a rappelé quand il disait... Et, dans cette, sur cette même tribune, à l'époque, quand Bazoum Dijé, le Premier ministre, a fait deux paris, le pari de, de, l'éternité, parce qu'il ne va jamais quitter le pouvoir, et il va faire les 10 ans. Aujourd'hui, Brigitte a battu ce record, il est à 8 ans, je crois, il va battre le record. Je <laughs> pense que ce n'est pas bien. Merci. Merci, Pensez-vous qu'avec ces discussions, les électeurs euh, vont revoir euh, euh, qui vont, à qui ils vont voter concernant ces députés-là oui, mais écoutez, c'est ce que Rufai disait, c'est le mode du même qu'il faut revoir. Parce que c'est avec ce, euh, euh, cette manière de voter les listes, c'est que vous votez seulement le parti. Mais, oui, mais vous n'êtes pas sûr de celui qui est venu battre campagne, vous faire un projet pour vous sortir de, des problèmes qui assaillent votre quotidien. Vous n'êtes pas sûr que c'est celui qui va vous représenter à l'Assemblée parce que c'est euh, des élections basées sur des listes. Mhm. Il faut aller vers des listes nominatives quand une liste est nominative, ça, vous savez que qui vous êtes en train de voter. Parce que hier, le niveau très bas, il n'y a même pas de qualité dans le débat. Cela démontre que nous sommes en danger. Ce qui veut dire qu'il y a des gens qui sont en train de voter des projets de loi qui ne savent même pas ce qu'ils sont en train de voter, qui ne passent même pas, même 5 secondes pour, pour feuilleter le projet de loi, le document, pour savoir qu'est-ce qu'il faudrait revoir, qu'est-ce qui n'est pas réaliste aux réalités nigériennes, qu'est-ce qu'il faut vraiment ajouter parce que nous pensons que c'est incomplet. C'est ça. Aujourd'hui, est-ce que ces gens-là, on peut leur confier Donc, ce qui veut dire que Parfois, il y a des lois qu'ils ont votées qui ne savent même pas ce qu'ils ont voté. Si un député n'est pas capable aujourd'hui de comprendre qu'il est national en prenant la parole pour dire que moi je suis député de tel parti, je défends. Non, il est national. Dès qu'il rentre à l'Assemblée nationale, il sait qu'il est représentant national. Donc, ce caractère national devrait le définir comme un représentant exclusif du peuple et un défenseur des intérêts du peuple. Mais voilà aujourd'hui à quoi on assiste. C'est même pas mécanique. Le fait même de dire qu'on a une assemblée mécanique, moi je pense qu'on est en train d'accorder de, l'importance même à ces gens. C'est pour conclure. Roufa a dit quelque chose aujourd'hui qu'il faudrait revoir cela. Mais je reviens à ce que je disais tantôt, que c'est cette classe politique qui parfois n'aime pas l'intérêt national. Il a donné l'exemple du Sénégal. Alors, ici, quand on voit certaines choses, comment cette classe politique dans son intégralité se comporte, c'est vraiment malheureux. Alors quel avenir on peut espérer Est-ce qu'aujourd'hui ces gens-là peuvent nous conduire vers l'émergence ce n'est pas possible. Euh, juste, une, phrase, Reina. Et le problème, ce n'est pas. Euh, il ne faut pas qu'on dise que parce que euh, le gars parle bien français, ce n'est pas une question de français ou une question de niveau. L'impertinence, elle va même en langue. Quand vous écoutez les députés en Hausa ou en Zarma, quand ils parlent, c'est aussi impertinent, c'est aussi incohérent. Donc, ce n'est pas le fait d'aller à l'école. Tu peux ne pas avoir été à l'école et être cohérent, être alphabète, parce que être alphabète, c'est savoir et se connaître une, des, une langue de, toutes les langues qu'on a au Niger. Donc, même quand vous les écoutez en c'est Merci, merci beaucoup, oh, Garé de la Nation. Maintenant, une réflexion, vous Issa, êtes content de les écouter. Voilà, Garé, je disais, euh, quelle pourrait être la suite de la lutte pour les députés de l'opposition à présent ah, mais ça, ça veut dire que déjà, ils ont réussi à créer une faille au sein de la majorité. Maintenant, il s'agira de, pour eux de, en tout cas, d'essayer encore de, de, tirer, de, en tout cas, ils vont tirer, c'est la première salve ça. Ça veut dire que d'abord c'est un premier signe. Ça veut dire que malgré tous les appels qui ont été lancés pour que il y ait une sorte, en tout cas, d'unité temporaire pendant l'organisation des sommets de l'Union africaine, l'opposition n'entend pas faire de la, de la trêve. Elle va, elle va utiliser tous les moyens qu'il faut pour se faire de la pub et pour essayer de tenir l'image des, autorités nigériennes. Donc ça, au moins, la majorité doit prendre acte de ça. C'est-à-dire il faut s'attendre à tout, même pendant les sommets. Ça veut dire qu'il n'y a, pas de, y a pas de cadeau. Donc, Deuxième chose, euh, euh, euh, concernant effectivement, par exemple, Rofa a dit tout à l'heure que ah, le Premier ministre, il a battu un record. Non, il n'a pas été élu pour battre un record, il a été élu pour gérer le record. Non, mais non, c'est parce que bah, même celui qui l'a précédé, qui a fait 7 ans, c'est pas lui qui a, démissionné, c'est parce qu'on l'a éjecté. donc, en fait, on, vous nomme Premier ministre parce qu'on vous donne des charges pour pouvoir gérer. Maintenant, vous continuez jusqu'à ce que vous finissiez votre travail, parce que c'est presque un mandat. Vous comprenez mhm. Donc, c'est lui qui vous a nommé, peut-être s'il n'est pas content, c'est lui qui vous change. Mais pour le moment, Brigitte a fini, il est en train de bien gérer selon, en tout cas, ceux qui l'ont nommé, donc il, il, continue. Maintenant, il ne faut pas oublier aussi que concernant les députés de l'Assemblée nationale, il y a la loi qui prévoit un quota d'illettrés. Et ça, là. Et vous savez, c'est toute la classe politique, aussi bien au niveau de la majorité de l'opposition qui a accepté cela. Vous savez pourquoi Parce que justement, les illettrés, là, ce sont ceux qui ont de l'argent. Ceux qui mettent de l'argent pendant les campagnes. Uh-huh. Et donc, ils ont accepté ce principe-là. Et pour moi, c'est une grosse aberration. J'ai dit, je ne comprends pas. Mhm. Pourquoi quelqu'un. Non, mais je ne comprends <laughs> pas. Regardez, on peut être eh, illettré, non, non, non, mais attendez. on, vous parle, on vous parle, on, parle d'étudier des textes. On vous parle d'étudier des textes de loi, mhm. n'est-ce pas mhm. Et, on, vous peut parle. traduire. Non, on vous parle d'ordonnancement juridique. Non, attends. C'est trop facile à, dire. Mais on voit bien quand la plupart des impertinences, ce sont ceux qui nous. Euh, en tout cas, les députés illettrés. Hors sujet, surtout. Oh, souvent, trop souvent hors ah, sujet. Hein. Trop souvent. Ah oui, oui, on vient de parler de Mousson. Ah oui, moi, chez moi, il y a un puits qui a été fait. Non, c'est pas ça. C'est l'occasion de s'exprimer. Maintenant, euh, mais c'est la loi. La loi a prévu un quota d'illettrés. Parce que la classe politique, toute tendance confondue, s'accommode avec cela. Parce que comme je vous l'ai dit, les illettrés, ce sont les financiers. Ce sont les halages qui ne sont pas allés à l'école, ceux qui ont l'argent. Quand la campagne commence, c'est eux qui enlèvent l'argent. Donc, pour les contenter, on a dit, ah, on va faire un quota. Tout en sachant que ce quota-là ne servira pratiquement à rien du tout. Parce que des gens qui ne peuvent pas lire un texte de loi, savoir l'ordonnancement juridique, savoir que quand on mhm. fait ça, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça, c'est vraiment compliqué. Et je pense que c'est ça le boulet qui est en train de tirer l'Assemblée nationale vers le bas. J'espère qu'on va arriver à un moment où on va apporter des changements où franchement on va exiger de la qualité. C'est-à-dire que même le, eh, le brevet, c'est-à-dire que je pense que pas comprendre le brevet je pense que, oui voilà parce que c'est un travail d'intellectuel d'autre. que l'Assemblée nationale. Mais, Garé, pour, ne pas, te couper, mm. ce qui qui est dangereux. Moi j'ai participé à la réalisation du film là le retour du Niger à la démocratie avec Nathalie Prévon. Mm. j'ai participé au débat de l'opposition à l'époque, puisque toute la classe politique était dans l'opposition parce que c'était des militaires. Mm. Mais les leaders politiques avaient peur de prendre des positions qui vont à l'encontre de ces illettrés. Ah, c'est ça qui est dangereux. Ah, c'est ça qui est grave parce qu'ils se disent ah ça dès que vous amenez ça euh, pour le euh, pour le vote au conseil consultatif les, gens vont, vont, vont, vont, tomber sur nous et ça va être grave pour nous. Donc même eux ont peur de revenir sur, sur, ça sachant pertinemment que ce n'est pas bon. Nous allons marquer une petite pause, le temps de revenir. Vous êtes à l'écoute du forum de Studio Kalangu. Nous allons parler du sport football. La 32e édition de la Coupe d'Afrique des Nations se déroule actuellement en Égypte et ce jusqu'au 19 juillet 2019. Elle est la première canne, c'est un rappel regroupant 24 équipes et, qui se déroule en été, comme l'a signalé Roufaille euh, vendredi dernier. En plus, euh, la VAR, l'assistance vidéo, sera utilisée en quart de finale. Roufaï, euh, je commence par vous. Quelle est votre appréciation générale de cette première semaine de compétition, niveau technique et tactique, mais aussi d'arbitrage Oui, je pense que... <clears throat> Et tout à l'heure, on parlait avec Issa avant de rentrer. Je pense que les grandes équipes qu'on suppose être grandes ne le sont pas. Et moi, ça, c'est un cri de cœur que je lance depuis l'année surpassée, quand le Cameroun avait gagné le, euh, la Cannes. Je disais, il y a un danger pour le football africain parce que le niveau est en train de régresser considérablement. Donc et pas le Niger seulement. et, pire, lorsque je vois que le niveau de ceux qui sont là-bas qui sont censés être les meilleurs de l'Afrique, parce que c'est eux qui sont qualifiés, les 24, quand je vois qu'eux-mêmes n'ont pas un grand niveau, et quand donc je compare avec le Niger qui ne s'est pas qualifié, je me dis qu'on a beaucoup de choses à, faire. Quand vous voyez le niveau vraiment de, ce match, moi je pense qu'en dehors de, du Mali, et où j'ai vu les, enfants se lâcher pour jouer du vrai football sans, sans, sans calculer. Je n'ai pas trouvé une équipe qui m'a beaucoup impressionné. Le Mali, c'est des enfants et ils ont grandi ensemble avec KD euh, Junior, aujourd'hui Senior. Ils jouent vraiment libérés. Mais je n'ai pas vu jusqu'à présent une équipe qui a un niveau qui dépasse largement les autres. Donc le niveau est presque homogène. Et il y a des matchs que qui, qui, te font dormir vraiment, comme le débat à l'Assemblée nationale. <laughs> Je pense qu'il y a des matchs vraiment qui, qui, te font dormir tellement que le niveau est très bas, technique, tactique, technico-tactique. Je pense que eh, le football nigérien, il faut eh, qu'on le change, qu'on change la manière de former, qu'on change la manière de, choisir nos dirigeants, parce que c'est aussi ça, quand vous voyez aujourd'hui, que même la CAF est sous perfusion de, la FIFA, parce qu'on a mis la, la, secrétaire générale, la sénégalaise, pour Délégué spécial. Voilà, délégué spécial de la CAF, ça veut que le football africain est, vraiment malade. Donc il faut changer. Et on le voit sur le terrain, dans le niveau de l'arbitrage, qui n'est pas aussi mais exceptionnel. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire et cette canne est en train de montrer qu'il faut changer des choses. Merci Roufaï. Donc Issa, aujourd'hui peut-on parler de petite équipe euh, vu la performance de l'équipe béninoise face à, à, celle du Ghana qui ont fait deux buts partout On peut parler de petite équipe ben, Rufa a déjà décrit un peu l'atmosphère. C'est, aujourd'hui, c'est vraiment euh, le football africain euh, régresse. Pourtant, aujourd'hui, c'est l'une des, éditions qui a plus de professionnels qui sont venus de l'extérieur, qui vivent dans des grands euh, championnats. On pensait que vraiment la qualité du jeu sera au rendez-vous. Mhm. Mais malheureusement, à quoi on assiste Des grèves pour des primes. Mais c'est grave, c'est extrêmement grave. Si aujourd'hui, pour jouer pour euh, sa nation, représenter le drapeau, porter haut son drapeau, il faudrait faire une grève pour demander à ceux qu'on vous paye avant de... Les Nigériens, avant la, euh, la dernière fois, avant d'aller à l'entraînement pour leur deuxième match, ils ont refusé d'aller à l'entraînement parce qu'ils disent qu'il faut les payer. Les Camerounais qui sont venus tout euh, récemment avec leur premier match, avec des radios de son dans ça, mais c'est une honte pour eux. Eux qui étaient les derniers détenteurs du, titre. Mais les, les sont encore dans un hôtel en France parce qu'ils disent qu'il faut qu'on les paye, sinon ils ne vont pas quitter l'hôtel. <laughs> Effectivement, c'est pour cela Les Camerounais, qui, ils, ont la coupe, mais ils sont les derniers à arriver. Pourquoi Tard parce que les lois de la ils, disent que non, eux, ils ne peuvent pas bouger sans euh, le paiement de leur prime. Mais où est-ce que vous voulez qu'il y ait de la qualité, même sur le terrain Tant que dans le comportement, on ne sent pas l'envie de vouloir vraiment mouiller le moyeu pour porter haut les couleurs nationales, je ne pense pas que aujourd'hui on puisse avoir. Au final, c'est l'argent qui est mis en avant. Effectivement, mais quand même, moi j'ai apprécié des équipes. Par exemple, j'ai apprécié euh, la qualité du même si c'est des locaux, quand même, leur niveau et le jeu qu'ils ont pu démontrer euh, l'Ouganda face à la RDC et leur deuxième match. Moi, je mhm, pense mhm. que c'est bon. Pour Madagascar aussi, ils sont déjà en quart de finale, si on peut le dire, avec 4 points leur première participation, euh, une match nul avec 3 points. Moi, je pense que ça, il y a des équipes qui peuvent vraiment euh, aller de l'avant. Il faut les attendre pour les futures éditions. Mais quand même, les grands euh, quand on attendait. Par exemple, vous avez parlé du Bénin. Moi, je pense que le Bénin, vraiment, euh, le, pour leur premier match, si ils peuvent garder, c'est sans ces seniors Le moteur de l'équipe, qui a, celui à qui tout le monde s'identifie, il n'est même pas là. Peut-être s'ils peuvent maintenir cette cadence mhm. pour le deuxième match, moi je pense qu'ils peuvent démontrer beaucoup de choses. Merci, Mais quand même, euh, pour, pour finir, je pense que du point de vue de l'organisation, moi je pense que l'Égypte est en train de d'échouer. Parce que regarde les stades qui sont tellement vides. Il faut qu'il y ait l'Égypte sur le terrain pour que les stades pour que les supporters viennent. oui, il faut arrêter <laughs> cela. Ah, pour parler un peu d'avancement au cours de cette canne, euh, avez-vous une idée des joueurs euh, qui pourraient attirer l'attention du club euh, acheteur de stars, par exemple Vous avez identifié des joueurs Moi, cette canne-là, ce n'est pas, pas la meilleure canne que je peux, que je peux, en tout cas, pour moi, c'est pas la meilleure canne sur le plan de la qualité du football. Je vous assure. Je suis de temps en temps quelques matchs. Bien sûr, quand les grandes équipes comme le Nigeria, euh, le Sénégal, le Sénégal a un excellent joueur. Je sais pas, c'est le numéro 19 ou c'est lequel, mais il est excellent, il est très bien. Mais je pense que bon, déjà lui, il est un international, il paraît. Il joue en Turquie ou je sais pas, je sais pas où, etc. Mais bon, et, moi, il y a deux choses que j'ai remarquées. C'est-à-dire, cette canne là d'abord pour l'Égypte, mais on ne peut pas accuser les Égyptiens de ne pas, de ne pas venir en masse quand, quand l'Égypte joue on veut que quand Madagascar et Burundi jouent, <laughs> que les Égyptiens ah, viennent. non, mais quand même, vous aussi. Oui, c'est pas. Non, c'est une compétition, mais la CAF, la CAF savait très bien, quand elle a donné à l'Égypte, que l'Égypte, là, c'est Salah et son équipe, et il n'y a plus rien. mais selon vous, ça impacte la qualité du match sur le terrain, le fait qu'il n'y ait pas de supporters Ils sont trop chauvins, les Égyptiens. ils, sont... Ah supportent que les clubs et oui, le Zamalek, le le Alali, le truc, c'est l'équipe nationale, c'est ça là, c'est tout, hein, c'est fini, point. C'est même à part ça, ils connaissent rien, rien du tout. Oui, mais les supporters, ils peuvent influencer euh, ah ah, la performance des D'abord, c'est deux choses. C'est au pays d'amener leurs propres supporters, mais c'est pas les Égyptiens qui vont venir supporter le, Cameroun. C'est pas les Égyptiens. Non, c'est pas les euh, Égyptiens. Euh, avec les U20, vraiment, le Niger a assuré pour le Oui, voilà. Vraiment. Maintenant, le problème, c'est que moi, j'ai été quand même scandalisé par rapport au match d'hier entre le Sénégal et L'arbitre m'a trop choqué. Ah non, mais il y avait un penalty évident sur, euh, comment on appelle ça là, Sadio Mané. Il n'a pas sifflé. Vous comprenez Et il y a des tas de choses que, on dit que c'est l'un des meilleurs arbitres africains. Mais non, hier, il est tombé par terre. Mm-hmm. Hier, ce qui s'est passé là, c'est un scandale. Parce que ce penalty là pouvait permettre au Sénégal d'égaliser. De, d'égaliser Franchement, l'arbitrage, je n'ai pas, pas, compris pourquoi la CAF n'a pas accepté l'arbitrage vidéo depuis le début de la compétition. Ils disent non, il faut, il faut qu'on arrive au niveau des quarts de finale. Mais je vous assure que si on avait permis l'arbitrage vidéo, le Sénégal allait avoir un penalty hier pour marquer. Et vraiment, j'ai dit, le football qu'on est en train de nous servir, ça fait pitié, c'est pitoyable. Mais la meilleure équipe pour moi, comme l'a dit Rufai, c'est vraiment l'équipe du Mali. Merci. je sans complexe. Merci Gary. Avez-vous quelque chose à oui, Oui, oui, je pense que pour, le VAR ou la VAR, parce qu'on ne sait pas, c'est pour ça que. <laughs> on ne pas, parce que ça, ça divise encore. J'ai écouté avant-hier même le président de la Fédération française de football qui était adepte de, du ou de lava qui, qui, revient pour dire qu'elle elle, est, en train, est en train de prendre le dessus sur l'homme et ce n'est pas bien. Mm. Platini a toujours été contre moi, je suis contre. Pourquoi faire ça, par exemple, à partir des quarts de finale Déjà, c'est coûteux et en plus, ça, ça, ralentit encore les matchs. Mais sinon, vraiment, le football euh, africain, à chaque fois, c'est toujours, toujours nous, les Africains. Je donné l'exemple des filles du, du Nigeria qui, qui, sont, qui ont, qui ont oui, dans, un hôtel pour dire qu'il faut qu'on les, paye. Mhm. sinon, elles, sinon, sinon, ne vont pas. Les gens ont le droit de demander de leur argent. Ce n'est pas les dirigeants qui vont bouffer leur argent. Parce que ce qui se passe souvent, c'est les dirigeants qui bouffent. Les Camerounais, l'équipe nationale du Cameroun, pourquoi ils exigent qu'on leur, donne leur argent C'est que les dirigeants ont l'habitude de bouffer leur argent. Est-ce que c'est normal Ce n'est pas une honte que les, je, joueurs réclament. Hein. Je suis entièrement d'accord de réclamer, sauf que par exemple, dans les grandes nations, par exemple, quand vous prenez la France, quand ils partaient à la Coupe, à la coupe du Monde, ils, ils se sont entendus avec la Fédération que lorsqu'on est éliminé à partir de huitième de finale, on n'aura même pas un euro. Donc c'est à partir des quarts de finale. Ça veut dire quoi Ça veut dire que quand vous venez, déjà, ce n'est pas en, venant quand vous jouez pour votre nation, jouez d'abord pour le drapeau. Quand vous avez des performances voilà, ah, revendiquées. un voilà. consensus. Voilà, mhm. c'est ici que s'achève le forum de la presse de ce vendredi 28 juin 2019. Nous étions en compagnie de Gary Amadou, journaliste au quotidien La Nation, Issa Madougou, journaliste à la radio et télévision Ténéré. Rufai Dandoua, journaliste sportif. Merci à vous, chers auditeurs, pour votre attention. Rendez-vous samedi et dimanche dès 17h pour l'actu des jeunes suivi de tous à la FADA et les forums en Hausa et en Zarma. C'était Rayla Tsoumana à la modération et Issa Lawali à la technique. Au revoir.